C'est une guerre contre un ennemi à la fois invisible, mais à la fois aussi insaisissable. président de la République moi le père de la nation. Birmi, ma présence suffit à indiquer notre totale adhésion à la démarche du président de la République. L'heure est grave. Il nous faut euh, avoir le courage patriotique. Le souci de tout responsable, c'est d'œuvrer, de travailler pour la quiétude et la santé de chaque citoyen sénégalais. Nous sommes prêts, comme des soldats, pour aller à cette guerre derrière son général. Nous adhérons à l'appel à l'unité nationale. Le président a fait ce qu'il devait faire à charge pour nous maintenant de suivre. Le président Macky Sall, c'est un leader, son leadership dépasse nos frontières. Donc écoutons-le. Quand nous sommes en guerre, il y a un chef. Le président Abdoulaye Wade nous a envoyé ici pour d'abord saluer l'initiative de M. le Président de la République, manifester le soutien positif du PDS euh, dans ce qui est en train d'être fait. ànd booloo juboo déggoo mooy lii solution